actuellement dañoo am euh, le monde dafa doon am benn reprise mais dañoo crise Covid bi dafa indi ñeenti crise yu Takalo. te bu nekk nekk ab jéey bu rëy. donc d'abord crise sanitaire la. moy ñep xam nañ ne jamono ji wér-gu-yaram bi àddina yëpp la nasaxal. te dafa wane fragilité système de santé. ndax sank ma ko expliquer expliqué. à un moment donné mondialisation dañoo nekkoon ci compétitivité coût. moy fu njëg gi gën a rek lañ koy dem jëlé dem na ba ci réew yu mag yu melni France kenn defalatu fa masque. Mhm. kenn defalatu fa gel. Mhm. Euh, médicaments yi sax 80% vingt pour cent mooy principe actif yi indi lañ ko def rek feneen ak feneen dem na ba France jamono ji rendre compte ne moom de choix yi mu defoon industrialiser pays bi ak délocaliser loolu newatul un bon choix ba ñu ngi jéem a xalaat pour indiwaat ko donc loolu benn la ñaareel bi euh, soo jëlee aussi Afrique. Mhm actuellement euh, crise bi dafa onde de choc sévère parce que rien que le mois passé mois de mars mhm. placement une ñu euh, dette africaine nit ñi milliards 60 milliards mhm. presque 60 milliards de dollars mhm. muy 3600 milliards de pourquoi parce que crise bi pétrole dafa daanu dafa daanu dollars donc les Afrique yi nga xam un euh, budget qui pétrole yëpp mhm. muy Algérie la République démocratique du Congo la Guinée équatoriale le Gabon nous c'est une finance publique d'affaires nara mhm. d'ailleurs baisse du pétrole bi euh, estimation économique pétrole a baissé de 30 dollars mhm. ce qui est le cas hein, parce qu'on était vers 60 dollars léegi 27 dollars donc 33 dollars pour na c'est l'équivalent de 600 milliards de pertes de recettes. Mhm. donc si vous pays bu mel Sénégal war nga jël pays vous nga comprendre à peu près ce la vous avez lan donc chute pétrole le dafa mhm. tax mhm. dollar américain Le dollar bi nag ba mu investisseurs yi nga xam en dollars. Les Africains, africain dañuy xëcc dem investir donc Afrique manque déjà tu weer bi milliards. les boo du Sénégal Sénégal euh, PIB Sénégal 15000 milliards. Euh, damay jël vous exemple un exemple tourisme. et mhm. hôtellerie. Mhm. tourisme actuellement on a 900 établissements touristiques. Mhm. et il y a à peu près 100 000 personnes utilisées et ça contribue à hauteur de 7 du PIB 7 du PIB euh, à peu près c'est 1020 milliards. donc actuellement. et c'est les chiffres même de du syndicat patronal de l'industrie hôtelière. 97 hôtels sénégalais peut être. donc taux d'occupation c'est même pas 3 donc je expliquer à quel point la crise est grave Donc vous voyez le tourisme dañuy wax exportation de biens et de services dañuy wax main d'œuvre a 100 000 employés même dañuy wax économie locale bi nga hôtels, ne am na hôtel dafa am objets d'art dafa am des aux alentours dañuy am ay parcs etc mmh. donc manque à gagner beaucoup journal le secteur touristique en un mois a perdu 236 milliards parce que tourisme c'est c'est tourisme d'affaires et de congrès un mm-hmm. tourisme international de loisirs mm-hmm. même tourisme domestique bi mm-hmm. parce que ak couvre-feu bi ak de déplacement interurbain bi dafa impacté c'est à dire qu'un jeune couple bu nekk Dakar bëggoon dem euh, Saly wala et cetera ko parce que dañ ko interdire donc loolu dafa nekk lu